C'est la dixième édition du salon Seine Pharma qui, s'organise qui, euh, toutes les années euh, normalement au Sénégal et qui aborde un certain nombre de thèmes, thèmes qui, intéressent euh, la santé dans sa globalité et plus spécifiquement les questions pharmaceutiques. Alors c'est une tribune, c'est une grande tribune où des experts, des esprits brillants composé de l'ensemble des praticiens, mais également des professionnels de la santé et de la pharmacie, se retrouvent pour échanger, partager des expériences, partager des défis, partager des découvertes ou des innovations, dans le but de proposer, n'est-ce pas, des pistes et des schémas pour l'amélioration de notre système de santé. C'est en cela que c'est important. C'est en cela que une telle tribune intéresse les plus hautes autorités, mais intéresse également le ministère de la Santé. C'est pourquoi nous avons eu beaucoup d'intérêt à venir participer à l'ouverture, mais également à suivre et à attendre les résultats qui sortiront des panels, qui vont permettre des échanges francs, des échanges en profondeur sur des axes comme la digitalisation, sur des axes comme euh, les nouvelles maladies, sur les axes comme euh, la prise en charge, en tout cas, du patient parce que, in fine, ce qui importe, ce qui importe, c'est de permettre à chaque citoyen, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, de quelque bord qu'il soit, de quelque âge qu'il soit, qu'il puisse être pris en charge et bien traité lorsqu'il a besoin des structures de santé. Qui dit santé dit évidemment les infrastructures, dit évidemment les équipements et les installations, dit évidemment les médecins et les ressources humaines, mais parle aussi et surtout du médicament. Et c'est pourquoi Pharma reste pour nous véritablement un échange, un rendez-vous, un salon extrêmement important. Vous avez parlé de la réglementation. Je pense que la directrice générale de l'agence de réglementation pharmaceutique, mais également le président de l'ordre, ont abordé ces questions. On ne peut pas agir dans un domaine aussi sensible dans un domaine aussi important sans qu'il y ait les règles du jeu. Et l'arbitre, l'organisateur de ces règles, c'est bien l'agence sénégalaise de, réglementation pharmaceutique qui a été mise en place depuis 2022 et qui permet aujourd'hui de produire tout ce qui est réglementation. Les actes qui permettent de se référer aux règles pour pouvoir faire le métier correctement. Comment est-ce que les pharmaciens doivent être installés comment est-ce que les médicaments doivent être mis sur le marché, comment est-ce qu'on doit contrôler les marchés parallèles et illicites, les, produits illicites, comment est-ce que tout ce qui se fait, l'installation des industriels, la production, tout cela, comment est-ce que c'est réglementé C'est véritablement avec l'appui et l'orientation et la surveillance de l'ARP qu'on le fera. Mais c'est autour de ces questions que saint Pharma invite les participants. Petit salon Sen Pharma, bi mooy fukkeel bi yoon ñu koy euh, ñu koy taxawal salon seen Pharma dafay dajale ay borom xam-xam yu yu bari ñoo xam ne ci domaine u santé wér-gu-yaram ci la ñu bokk euh, seen Pharma boobu li tax mu amal ñu njariñ en tant que ministère de la santé et de l'action sociale daje la euh, taxaw seetlu la boo xam ne borom xam-xam yooyu dañ fiy daje. ku nekk indi sa xalaat ku nekk indi expérience ba nga am ku nekk indi la nga dund ku nekk indi euh, yu yees yi nga xam ne jëfandingoo ko ko wala gis nga ko wala découvrir nga ko daje yooyu li muy jur mooy bu ñu waxtaanee ba noppi mu am ay tegtal ak ay yoon yu ñu jox gouvernement bi pour ñu mën a continuer jubal ci li nga xam ne mooy souveraineté pharmaceutique euh, boo xoolee li leen ñox li leen ñor li leen soxal Euh, xëy pharmacie la mais santé la de façon globale Le gouvernement bi li nga xam euh, mission nekk objectif am sénégalais bu nek, ak fo meunti bokk ak no meunti tollu ak fo meunti deuk ñu fexé ba bo Amé amee euh, gàllankoor ci sa wàllu wér yaram ñu mën la jël en charge wërgu yaram nak ay tabax la ay hôpitaux la ay nit la yuy fajj ay équipement la wanté surtout garab la garab mom la ñuy jox ki ñuy fajj garab bobu nak dafa war am lu ko encadré dafa am lu ko aar lu ko lu ko wekk lu ko lu ko ñoŋal ba nga xam ne duñ ko bàyyi mu nekk ci euh, jaxasoo boo xam ne kenn du xam fan lay nekk moo waral mu war a am réglementation. depuis 2022 Sénégal am na agence de réglementation pharmaceutique agence boobu lii lii rôle am mooy fexe ba balaa benn garab di tegu ci marché bi ñu xam fan la jaar naka la ñuy organiser pharmaciens yi ba la ñuy mën a samp seen officine naka lañuy fexé ba benn produit bala mo génn ñu naka contrôler marché bi amna neuf fonctions réglementaires yo directeur général de ci kaddom euh jaar na ci buñ ko euh, li nga encadrer véritablement mbir mi ñu waxtané ko waxtané ko ak ñi pour euh, santé yi nga véritablement les sénégalais ñu mën ci indi ay safara mëna gouvernement bi ay yoon pour mission de santé publique bi nga xam ne moom la gouvernement bi am ak souveraineté pharmaceutique ñu am ci ay yoon yoo xam ne dinañ ci mën a yóbbu. looloo tax ñu jàpp ne salon seen Pharma bi salon bu am solo la salon bu ministère bi di encouragé la salon bu gouvernement bi di encouragé la ñu def ci yaakaar yu bari ndax ñu mën ñu indil ay xalaat ci digitalisation ci yu bari yoo xam ne soxla nañ ko te ay yu bees la yu mën a jëmale suñu système de santé ci kanam gën ko dëgëral gën ko naatal.